sommes vendredi 28 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au programme de Studio Kalangu et bienvenue dans ce forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et cela avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous parlerons d'abord de la fête de la Concorde célébrée le lundi 24 avril dernier. Ensuite, il sera question de la visite la semaine dernière la semaine dernière du ministre de l'Intérieur à Asmaka pour s'inquiéter de la situation des migrants ouest-africains refoulés d'Algérie. Enfin, nous ferons un zoom sur la semaine mondiale de la vaccination débutée le 24 avril. Pour en débattre, je suis dans ce studio avec euh, Memoune Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Gary Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, bonsoir. Bonsoir. Et Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Le lundi 24 avril a été célébrée la journée nationale de la Concorde une journée qui commémore la signature le 24 avril 1995 les accords de paix entre le gouvernement et la rébellion armée. C'est à Chintabraden, dans la région de Tawa, que se sont déroulées les festivités de cette 28e édition, et ce, comme les précédentes éditions d'ailleurs. Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Soleil, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires y ont pris part à la célébration de cette journée. Je commence donc avec vous, Madame Maimouna Diado. Vous êtes journaliste indépendante. Pour revenir un peu en arrière, avez-vous connaissance de quelques points qui ont amené ou bien qui ont abouti à cette signature de paix entre euh, l'État et les belligérants en, en 1995 euh, merci Nafisa Donc, euh, il faut rappeler d'abord que avant la signature, euh, le 24 avril 1995, mhm. il faut rappeler qu'il y a eu la lutte armée qui s'est basée sur donc les revendications économiques, sociales et politiques qui mhm. avaient déclenché donc oui, une attaque de de, Chintabaraden mhm. en 90. Donc vu cette situation de 90, il a fallu en 95, comme vous l'avez dit, pour pouvoir aboutir à, une, signature, de paix. Et nous avons également en 94 où le gouvernement euh, a créé un haut commissariat à la restauration de la paix, la euh, de la paix, la consolidation, euh, pour pouvoir également essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour aller justement à cette signature. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a eu, avant cette signature, il y a eu beaucoup de choses en tout cas qui ont pu permettre euh, d'aller à cette signature, échanger avec euh, euh, ceux qui faisaient la rébellion à mmh. l'époque mmh, mmh, et, le gouvernement d'antan. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment de justesse, c'est vraiment de justesse puisqu'ils ont essayé et ils ont pu quand même, avoir cette signature pour pouvoir ramener la paix dans cette partie du Niger et mhm. également totalement de le Niger. Parce que s'il n'y avait pas eu cet accord de paix, euh, Dieu seul sait aujourd'hui. La rébellion, où en serons-nous jusqu'à présent mhm, mhm. Est-ce qu'il y aura une situation <laughs> plus grave et plus grande que la situation que nous sommes en train de vivre actuellement vous, Garé Amadou, quelle appréciation faites-vous de cette euh, célébration de la Concorde, de la journée nationale de la Concorde, de la signature euh, à la date d'aujourd'hui Oui, franchement, cette journée de la Concorde est une journée extrêmement importante parce qu'elle permet euh, de rappeler au peuple nigérien l'importance de la paix et la nécessité que nous avons de la consolider et de la renforcer. Mm. on est parti du processus de, eh, comment on appelle ça, la restauration de la paix après les accords de paix, à la consolidation, de la paix. Aujourd'hui, on est dans une processus de consolidation de la paix. Mais entre les deux, il y a eu quand même une nouvelle rébellion qui a éclaté fort heureusement qui a été réglée sous le régime de Sanja. Voilà, après des victoires militaires, bien sûr, il faut le dire sur le terrain, mhm. euh, qui ont contraint pratiquement les mouvements rebelles à, venir, en tout cas à la table de négociation et à signer les accords de paix. Mhm. Aujourd'hui, on est dans une sorte de... On a consolidé la paix avec les anciens groupes rebelles mais on a une nouvelle euh, tension qui a éclaté au niveau de, de, de, nos, frontières avec les terroristes qui traversent la frontière pour venir nous attaquer mm. et, en tout cas perturber la des populations. Mm. C'est avec c'est à ça qu'on fait face aujourd'hui, n'est-ce pas Une situation assez bizarre parce qu'on on, on, a, célébré a célébré la paix le 24 avril, alors qu'on est dans un contexte aussi de terrorisme mhm. qui nous rappelle que encore il y a des défis auxquels on fait face aujourd'hui actuellement. Si les rébellions sont finies aujourd'hui, malheureusement, on doit faire face à la question du terrorisme. Mhm. Monsieur Ousseini Issa, vous êtes, vous êtes un journaliste indépendant. La situation sécuritaire reste tendue. Alors, après 28 ans après la signature euh, des accords de paix ici au Niger, la situation est encore tendue ici au Niger. Quelle explication pouvez-vous donner à cette situation Oh, je vais d'abord commencer par rectifier quelque chose. C'est que, en dehors, comme avait dit, de la première république qui a mis en place euh, la coordination de la résistance armée qui s'est muée en organisation de la résistance armée mm-hmm. avec la dissolution d'une branche, la branche de Mano Dayak. Mm-hmm la nouvelle branche était conduite par euh, l'actuel ministre, premier ministre de Iris Aboula, qui est actuellement ministre avec rang de conseil et tout ça. Il y a eu une rébellion à l'époque, une rébellion qui a été gérée effectivement sous Baï. C'était la rébellion dans le lit du lac Tchad, mhm. la rébellion menée Toubou, qui, était dans la zone et qui a trouvé comment dire son issue, une issue favorable, une issue heureuse en 98. Mmh. Et c'est ça qu'on a appelé les accords additionnels de pays. Mmh. Pour un peu compléter. Mmh. Maintenant, quelle appréciation peut-on faire Moi, je me dis, quelque part, on a, fait, on a quand même parcouru un chemin. On sait qu'est-ce qui a amené ces mouvements-là. On doit normalement pouvoir créer les conditions pour qu'on n'assiste pas à des nouvelles situations de telle nature. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe On sait ce qui amène les problèmes. Les problèmes, c'est les injustices l'abandon de, certaines zones c'est-à-dire du point de vue investissement et tout et tout. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mhm. L'injustice sociale, quand la redistribution des richesses n'est pas bien, n'est pas bien faite, bien évidemment, ça crée des frustrations, et y compris ce qu'on est en train de vivre, cette histoire du djihadisme, du mhm. terrorisme mhm. dont on parle. Il ne faut pas perdre de vue que c'est alimenté aussi quelque part par cette situation de pauvreté, de sentiment d'être abandonné par certaines populations, parce que quand vous allez dans la région de Difa, il y a plein de jeunes gens qui sont engagés parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de Opportunité d'emploi, il n'y a rien. Est-ce qu'on est en train de construire, de travailler à construire euh, cet idéal-là créer les conditions pour que toutes les régions, en tout cas les jeunes, les bras valides puissent être occupés. Mhm. Est-ce qu'on est en train de faire ça Parce que le taux n'est pas le manque d'emploi aussi est un des facteurs bien évidemment le développement local. Le développement local, je veux dire l'emploi, moi je vois pas ça sous l'angle seulement qu'il faut créer des, emplois salariés, mhm, mhm. créer les conditions pour que les gens puissent se prendre en charge localement, y compris à travers l'agriculture, l'élevage et tout et tout, pour être autonome, pas forcément des emplois de l'État et autres. Est-ce qu'on est en train de faire ça Malheureusement, non. Créer des structures qui puissent embaucher, est-ce qu'on est en train de faire ça mmh, mmh. C'est ça j'ai dit, c'est bien beau de célébrer chaque année la cohésion, la concorde, mais encore faudrait-il que ça soit traduit dans les actes, mmh, au quotidien. Créer les conditions pour que les gens se sentent solidaires, les, gens, les, citoyens se sentent comme appartenant à une même nation. tant qu'on ne crée pas cette situation, on ne crée pas ce contexte-là, moi, je me dis, il faut toujours s'attendre à ce genre de situation. Mm, mm. On va continuer chaque année à, célébrer, mais on ne fait rien pour mm, consolider véritablement. on est dans cette situation aujourd'hui, il ne faut pas se, se, leurrer, il ne faut pas se faire d'illusions. Tout dans la bande nord de l'abbaye, toute cette bande nord de l'abbaye, c'est un Qui est impacté par l'insécurité. bien sûr. Mais alors Vous, Memoun, de votre côté, comment oh, que doit-on faire pour consolider cette paix ici au Niger. Consolider la paix, c'est bien de consolider la paix, mais il faut également essayer de faire en sorte qu'il y ait plus équitable d'équitabilité mm. entre les Nigériens. Ça veut dire que les zones, comme euh, il a dit, il faut essayer de repartir, en tout cas les richesses que nous avons, euh, entre les populations. Ça veut dire que quand on prend la zone de Tilaberi, les richesses de cette zone de Tilabéri en tout cas, cette population doit en bénéficier. Mm. Les bras valides doivent trouver du travail. Euh, ceux qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui doivent être au moins voir, ils doivent, ces populations doivent voir leurs conditions de vie améliorées. Mm, mm, Et quand il n'y a pas de conditions de vie améliorées, ça, ça, amène des frustrations. Et ce sont ces frustrations que nous, ne voulons pas. Parce que quand il y a des frustrations, ça veut dire qu'on ne peut pas consolider aujourd'hui la paix. Quand on parle de consolidation de la paix, c'est que entre les populations, les gens se retrouvent, les gens savent que nous sommes, euh, les, les, nous sommes euh, un, un seul peuple, mm-hmm. nous sommes euh, du Niger et que nous devrons sauvegarder le Niger. Mais si on n'arrive pas équitablement à repartir ces, ressources euh, minières, si je prends les ressources minières, rien que les ressources minières, donc c'est un autre problème. Si aujourd'hui euh, un enfant de la région de Tilaberi ne peut pas aller à l'école et que dans une autre région, les enfants sont en train d'aller à l'école, ça c'est de l'injustice aussi. Donc il faut essayer de recadrer les choses pour qu'il n'y ait pas d'injustice, pour que tous les Nigériens se sentent vraiment dans leur pays mhm. et qu'ils puissent en profiter de la même manière que les autres sont en train de profiter. Et du côté également de la santé, c'est vraiment des choses comme mhm. ça mhm. qu'il faut euh, euh, pouvoir recadrer. Mais il faut également l'implication de toute la communauté dans cette consolidation de la paix, n'est-ce pas, Gary Oui, bien sûr, bien sûr. Et je crois que euh, bah, il faut bien dire que c'est pas que l'État ne fait rien. En fait. oui. L'État fait des choses. L'État est arrivé à un point où, depuis plus, d'une dizaine d'années, il y a un ministère même qui est chargé de l'insertion des jeunes, de la formation professionnelle. Mhm. On a vu des écoles professionnelles prospérer un peu partout dans le pays. Mais comme ils l'ont dit, effectivement, apparemment, ce n'est pas suffisant parce que si les jeunes se font enrôler au niveau des, groupes terroristes, ce qu'il manque d'opportunités. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts à faire mm. par l'État <coughs> mm-hmm. pour essayer d'occuper les jeunes. Et ça, c'est valable pour la région de Telabéry, pour la région de, de, Difa, et même pour les autres régions, parce qu'on ne sait jamais là où ça peut la frustration que ça, peut amener. Parce que, mm-hmm. regardez, pour, euh, euh, dans certaines régions, c'est du grand banditisme qui est en train d'éclater. Dans la région d'Agadez. Voilà, c'est le banditisme qui est Et tout ça, c'est le désabrement. Mm-hmm. On a, par exemple, fermé la filière de l'immigration avec la loi de 2015, mhm. ça a créé des mécontentements, ça a créé des désœuvrements mhm. et ça, aboutit forcément à des, à des, situations comme ça. Et aussi dans la région de Zender, la migration. La migration aussi, voilà. Donc il faut vraiment réfléchir à euh, créer des opportunités pour les jeunes parce que quand les rébellions éclatent, ce sont les jeunes qui sont enrôlés, mhm. n'est-ce pas Comme c'est le cas pour le terrorisme. Donc créer les conditions pour que cette paix-là soit consolidée en créant des opportunités pour que les enfants de tout le, de tout le Niger puissent en tout cas avoir des perspectives heureuses concernant leur avenir. Merci bien. Nous passons donc euh, au deuxième euh, sujet du forum de la presse euh, de ce jour. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Hamadou Adamou Souley, s'est rendu à Asmaka, village frontalier avec le Niger qui enregistre de plus en plus de migrants ouest-africains refoulés d'Algérie. Il s'est agi pour le ministre de voir de plus près la situation de ces migrants bloqués à Asmaka. Hamadou Adamou a lancé un vibrant appel aux différents pays de la CDAO pour accélérer le processus de reconnaissance de leurs ressortissants qui optent pour le retour volontaire on l'écoute au micro de notre correspondant Moussa Maman. Depuis le début de l'année 2023, les expulsions des ressortissants ouest-africains ont pris une dimension critique avec plus de 7172 migrants refoulés. La disponibilité des services sociaux de base est extrêmement limitée à Samaka de plus. Actuellement, le village d'Assamaka compte beaucoup plus de migrants que de communautés locales. L'accès aux infrastructures sociales de base dans cette zone désertique est déjà très limité. Cette situation a pour corollaire une forte augmentation de la criminalité transfrontalière et du banditisme de tout genre dans la zone. Je lance également un vibrant appel aux différents pays de la CDAO pour accélérer le processus de reconnaissance de leurs ressortissants qui optent pour le retour volontaire organisé par l'OIM. À l'OIM, je demande de revoir son programme de retour volontaire qui, à tort ou à raison, constitue une des causes de l'arrivée des migrants vers Agadez dans le seul but de bénéficier d'une réintégration socio-économique. C'était là donc euh, le ministre de l'Intérieur euh, Hamadou Adamou Saleh lors de sa visite à Asamaka. Et rien que le 25 euh, avril dernier, plus de 700 migrants sont arrivés également à, Agadez dont environ 50 enfants qui sont non accompagnés. Que dire vraiment de cette situation, M. Ousseini C'est une situation vraiment très triste, une situation déplorable, mmh. n'est-ce pas mmh. Mais il faut peut-être faire la genèse. N'est-ce pas C'est important de faire la genèse. Vous savez, c'est nous qui avions ouvert la vanne à l'Algérie. C'est-à-dire C'est-à-dire, nous sommes allés signer des accords avec l'Algérie. N'est-ce pas en 2014, mm. quand il y a eu, comme avait dit, euh, comment s'appelle, le drame dans le désert, là, avec 82 morts, mm-hmm. Juste après, quand on a pris des mesures pour empêcher, pour freiner, on allait signer des accords avec l'Algérie pour donc rapatrier systématiquement nos compatriotes, mhm. n'est-ce pas Et ils ont profité de cette vanne quand ils prennent les, les, les mhm. Ils ne cherchent pas à identifier. Moi, j'ai causé à distance au téléphone avec le le, le, le, concile de Tamaracet mm. par rapport au traitement de ces questions. Ils pactaient de verser tout ce qu'ils arrêtaient, comme euh, migrants subsahariens, ils amenaient à Tamaracet au niveau du consulat, ils les déversaient. Toute nationalités confondues toutes nationalités confondues ils ne font pas de distinguo. Mm. Eux, pour eux, c'est la peau noire, et pas y compris même la peau blanche des Érythréens, des mm. Somaliens. Ils ne font pas de distinguo, ils devenaient déversés. Et c'est parti de là on n'a jamais cherché à mettre l'euro là. Nous, les accords qu'on a signés, c'était de dire les Nigériens, mais pas les autres nationalités. Hum, hum, hum. Maintenant, l'argument que l'Algérie trouve à dire, c'est que non, ils ne rentrent pas le Niger et c'est des citoyens de la CDAO. Quand vous allez fouiller parmi ces migrants-là qui sont déversés, vous allez constater qu'il y a pratiquement, vous avez trouvé des Érythréens, des Somaliens, mm-hmm. des, des, des, Je sais pas, il y a tellement. Vous allez trouver, y compris d'autres nationalités, des Pakistanais et mm-hmm. autres, mm-hmm. n'est-ce pas hein. Et qui sont dans des situations critiques. Et qui sont dans des situations critiques. Alors, c'est la porte facile pour l'Algérie. Maintenant, est-ce que nous, nous devons aussi réagir par rapport à ce qui est en train de se passer on ne peut pas être un des potois ou un déversoir de tout ce qu'il y a comme nationalité étrangère en Algérie. Mm. Est-ce que nos autorités font un effort pour mettre fin à ça C'est la question. C'est ça, en fait, l'enjeu. Mm-hmm. Je me rappelle, j'ai suivi une fois le, président du conseil régional de, d'Agadez, Mohamed Anako, Mohamed Anako qui se protestait par rapport à cette situation. Mm-hmm. Est-ce que les gens disent non, on ne peut plus continuer à accepter que vous preniez si c'est des gens de nationalité. Mhm. Aujourd'hui, c'est à nous de gérer. Imaginez la pression que ça fait. Par exemple, la population de Asamaka ne dépasse pas 2500 mhm, personnes. Mhm, il y a 7000 qui sont venus. Ah, il y a 7000 et quelques qui sont aujourd'hui là. Deux fois, deux, fois plus la population. trois fois, ça la double. Population. Alors, les populations, les autochtones, ils vont devenir quoi Et sans compter la criminalité. J'ai traité de ça il y a quelques jours de cela quand les premières vagues, les 5000 là. Vous savez que Jusqu'à aujourd'hui, il y a, comment on appelle, euh, un coup fait que la police a instauré là-bas, mhm. à partir d'une certaine heure, 21 h il ne doit plus circuler. Mhm. Mais parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, les animaux des gens, ils prenaient pour égorger et manger. Hmm. Oui, d'aucuns disent que c'est pourquoi la population même d'Agadez euh, se, plaint de la situation. Hein. parce oui, mais bien évidemment, parce qu'ils sont violents. Hum, hum, hum. parce qu'ils sont violents. Ils prennent les animaux. C'est ce qui explique la situation de sécurité grandissante. Ils pour manger parce qu'ils ont faim. Alors, à qui la faute c'est parce que nous devons aussi taper du point sur la table pour dire à l'Algérie, mhm. non, nos accords ne signifient pas que vous allez nous déverser, parce que quand vous les déversez, il y a un point qu'on appelle point zéro. Mhm. en plein de, 15 km de Asamaka. Souvent, les étrangers, c'est les Nigériens qui ont la chance de pouvoir être acheminés jusqu'à Asamaka. Mhm. Mais eux, c'est à point zéro là qu'on les débarque et ils marchent à pied pour venir, ils marchent pour venir jusqu'à. voilà. Alors, est-ce qu'on doit continuer à accepter Parce qu'imaginez que c'est tous les jours. Hein. Dans le mois, il y a au moins 4 ou 5 fois des convois. Qui quittent Mais le ministre a même lancé l'appel euh, aux différents pays de la CDAO d'accélérer de, le processus de rapatriement de ces immigrants. Mais, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui est en train de se passer Parce que c'est bien beau de dire, mais quand il y a des Congolais qui viennent, mm. c'est des Congolais qui sont sortis, qui ont cheminé pour venir jusque vers le Niger, mm-hmm. qui ont traversé Agadez pour aller mm-hmm. en Algérie. Mais peut-être que ces populations, ou du moins ces autorités congolaises, ces mhm. autorités camerounaises, mhm, mhm. ils n'ont pas une situation claire de leurs ressortissants. N'est-ce pas Justement, selon l'OIM, euh, la situation de ces migrants, c'est plus de 4000 qui sont dans des situations critiques. Qui sont dans la rue, qui dorment, qui font la, qui, qui, sont dans la rue, qui, qui ah, oh, pratiquement, il y a une pression sur les ressources, l'eau, l'accès aux soins de santé, ah. pratiquement, sans compter l'insécurité. Parce que la population locale est asphyxiée aujourd'hui. Mhm. C'est une réalité qu'on ne veut pas dire aux gens, mais c'est une réalité qui est là. Mais Monikado, c'est une réalité selon Ousseini, c'est une situation critique. C'est vraiment une situation critique, comme l'a dit Ousseini. Mhm. Parce que là, là il, faut, il faut voir quand on vient de verser plus de 7000, en tout cas migrants, mhm. euh, subsahariens, à Asamaka, c'est un problème. Parce que, et qui continue d'être oui. Hein. et, et, n'est c'est pas encore fini. Parce qu'il y en a, a d'autres qui sont sur le chemin de retour mm-hmm. encore, mm-hmm. d'être refoulés au niveau mm-hmm. donc du Niger. Et non seulement euh, la ressource en eau est insuffisante, il y a les problèmes de couches sanitaires qui viennent encore euh, asphyxier parce qu'il faut chercher la solution. Il y a le fait même de, de, faire en sorte de nourrir même combien de bouches, mais c'est un autre problème. Est-ce qu'il y a suffisamment... Mais l'État, l'État du Niger ne peut pas prendre en charge toutes ces, ces, personnes qui sont refoulées chaque jour, qui viennent de, de, l'Algérie. Donc c'est vraiment une situation accablante. Mais quel est le rôle du bureau de l'OIM dans cette situation Dans cette situation, l'OIM est en train de faire ce que l'OIM a toujours fait, c'est leur trouver là où peut-être euh, les mettre dans un camp, mhm. et attendre à ce que le processus euh, de rapatriement se fasse. Et, mais l'OIM ne peut pas garantir la santé comme il le faut et garantir la nourriture ainsi que l'approvisionnement en eau comme il le faut. Donc, s'ils ne peuvent pas trouver des conditions de, meilleures, conditions de vie meilleures, mais c'est bien normal que ces gens se retrouvent dans la rue euh, un bon matin ou bien la soirée ou bien la nuit pour pouvoir aller faire des dégâts. Mais il faut également regarder aussi les filles qui sont là-bas aussi sont en danger. <laughs> il n'y a pas que les filles, même les habitants. Même, les habitants sont en danger. Et mais aujourd'hui, il y a des violations, il peut y avoir des viols, il peut y avoir beaucoup de choses mhm. qui peuvent entourer toute cette situation-là. Mhm. Mais comment est-ce qu'il faut le faire mhm. Maintenant, c'est vraiment d'appeler. Moi, je propose que l'État du Niger dépêche, par exemple, euh, ne serait-ce qu'une délégation qui va vers ces pays-là pour leur dire venez parce que là, nous sommes. Récupérer. récupérer, oui, récupérer. Parce que rester ici et envoyer un message, ça ne suffit pas. Mhm. Parce que là, ça traîne. Mhm. Et tu as bien vu que ce sont ces mêmes migrants qui sortent pour crier qu'ils sont, ils veulent retourner dans leur pays, qu'ils ne peuvent mhm. pas rester ici, <laughs> ils sont pas, oui, ils sont pas pris en charge, ils manquent de ça, ils manquent de ça. Mais attends, quand, tu pars pour aller dans un autre pays avec les conditions irrégulières, irrégulières parce que c'est la migration irrégulière, il faut le dire, mhm, mhm. <laughs> mais il faut s'attendre à ça aussi. Il faut s'attendre à ça. Garé Amadou, c'est des milliers donc des migrants ouest-africains refoulés d'Algérie qui continuent d'arriver dans la région de d'Agadez, plus précisément à Asmaka. Vous, quelle est votre perception de cette situation Moi, je salue quand même la promptitude du ministre de l'Intérieur, Amadou Adam uh-huh. pour avoir effectué le déplacement sur zone et puis pour en tout cas prendre euh, en tout cas la, température de la situation. Et je crois que son appel, c'est quelque part aussi une sorte de, de ras-le-bol par rapport à une sorte d'insouciance des pays dont les ressources sont concernées par rapport à la situation. Parce que quand il dit qu'il lance un appel, euh, voilà, c'est-à-dire <coughs> ça commence à bien faire, quoi. Ça, ça va comme ça, quoi. Ils ont voilà, donc vraiment, venez, venez prendre vos migrants. Mm-hmm. Et je crois que et, à partir du moment où il le dit officiellement, ça veut dire qu'un processus est déjà enclenché. Mm. Un processus qui va se dérouler en relation avec le ministère des Affaires étrangères. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, des, lettres ou des correspondances qui vont être adressées mm. aux, représentations au, niveau de ces pays-là pour les informer que voilà, voilà, euh, venez envoyer des délégations, mhm. n'est-ce pas, des missions pour venir euh, faire le, le, point et puis mettre en place le processus de rapatriement. Mhm. Donc c'est ça qu'il faut, qu'il faut faire. Mhm. Il faut vraiment que ça, c'est une chose urgente parce que, euh, euh, écoutez, les gens sont dans le dénuement, n'est-ce pas Ils sont là dans une zone où aujourd'hui, ils sont plus nombreux que les autochtones. les, autochtones. les, autochtones. subissent une pression. Il y a la peur. Vous comprenez Il y a une sorte de menace qui est là, n'est-ce pas, sur eux. Ils ont ils, leur ça veut dire qu'il faut même renforcer la sécurité au niveau d'Assamaka. Il faut renforcer la sécurité, il faut protéger ces populations-là. Quand on me dit qu'il y a même un couvre-feu, mais c'est grave. Il y a un couvre-feu qu'on a, connu. Il faut renforcer la sécurité au niveau d'Assamaka. Il faut protéger nos, 2000, nos 2000 habitants-là, n'est-ce pas Et protéger aussi, c'est vrai, les migrants, parce qu'au nom de l'universalité des droits de l'homme. Mais les pays qui sont concernés doivent rapidement envoyer des missions et pouvoir, en tout cas, rapatrier leurs ressortissants. Pourquoi pas même mettre en place un comité permanent, puisque dans tous les cas, c'est pas ça qui va arrêter les gens pour partir à la, migration. Donc il y aura toujours des refoulés. Mettre en place un comité, une sorte de système de coordination entre le Niger et les pays concernés, pour que quand des cas comme ça arrivent, vraiment rapidement, on mette en place une sorte de, euh, de, plan, de plan, de plan, euh, B, mhm, rapide mhm. pour qu'on puisse vraiment prendre les, habitants et les rapatrier chez eux parce que mhm. nous, sinon, nous devons causer beaucoup de dégâts ici. Mais Hussein, vous, est-ce qu'il y a d'autres alternatives vraiment pour faire rapatrier tous ces là Il n'y a plus d'alternative, il n'y a pas d'autre alternative. <laughs> Les centres d'accueil de l'OIM au niveau d'Assamaka, mhm. la capacité, c'est un centre de transit d'abord. Mm, Ce n'est pas un centre de... voilà. C'est juste un centre de transit, on vous prend pendant un certain temps et on, crée les conditions pour que vous puissiez Malheureusement, c'est devenu... Maintenant, c'est devenu 1500. Et eh bien, eh, capacité d'accueil de 1500. Il y a aujourd'hui 7000 et quelques. Il faut que l'OIM cherche ah, des moyens. Non, mais parce que l'OIM est en train... Ils ont même lancé un appel. L'OIM a lancé non, le problème, moi, j'ai dit, non, c'est un faux fuyant. Moi, j'ai mhm. dit, ils sont responsables. Mhm. Ils sont quelque en quoi, En quoi non, mais je veux dire, ils sont là présents chez nous. Ils mhm. savent ce qui est en train de se passer. C'est Ces 5 000 migrants-là, n'est pas avant-hier ils sont arrivés. C'est depuis pratiquement janvier. C'est depuis pratiquement janvier que le processus a commencé, janvier. Ça fait combien de mois aujourd'hui Et de l'autre côté, L'OM s'est retrouvé dans une incapacité de pouvoir évacuer tout le monde. Hmm. Et de l'autre côté, en Algérie, ça commence à, ça continue à être déversé. Hmm. Alors, l'OM est dans des empires qui est là, qui est la société, qui verse, qui entretient des relations avec l'État. Hmm, Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire c'est bien beau de dire aux pays, comme avait dit, les pays dont les citoyens de venir chercher. Mais si vous pensez que ces pays-là, ils ont leurs propres préoccupations pour venir chercher à récupérer des gens qui ont quitté délibérément de chez eux. Mhm, mhm. Pour, aller, pour, ah aller, c'est un peu. Ça, ça dit lancer un appel pour dire venez, vos, migrants sont là. Mhm. Et quand vous voyez, parce que moi j'ai eu à côtoyer ces gens ils sont d'une agressivité terrible. C'est comme si les gens qui sont sur place, les gens qui sont sur place, c'est les gens qui sont sur place qui sont qui sont à l'origine de leur situation. Même à Niamey, il y a des cas d'agression qui ont été Effectivement, oui, dans les gens... centre d'accueil juste côté, Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que souvent, nous, on nous a même expliqué ici, vers hamdallah il y a même des, certains d'entre eux qui sont des anciens miliciens. Ah Alors, grave. Alors, ça pose un problème si on les laisse s'entasser pendant un temps. Parce qu'aujourd'hui, à Samaka, ça a cessé d'être une localité mhm. pratiquement. 7000 mhm. pour une population qui, qui, qui une population qui, n'atteint pas 2500 personnes mhm. et qui se retrouve avec euh, combien Plus de 7000 qui sont, qui sont là. Euh, oui, Garé. Mais, moi, moi, si je suis un habitant d'Assamaka, vous croyez que je vais laisser ma fille sortir <laughs> dans, ces conditions-là, je vais laisser ma fille sortir euh, C'est ah la préoccupation Ah non, non, non. Je, dis à ma fille, ne sors jamais. Parce que, quand, parce que... Euh, parmi, parmi les migrants, c'est pas qu'on veut jeter la ah, attention migrants. Attention, attention faut pas, il faut, pas que les gens, il faut que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. Mhm. On a aucun. que c'est leur parcours vraiment qui, les amène à être autant agressifs, je sais pas. Oui, vous savez, les gens, ils ont mhm. parfois tendance à vouloir interpréter euh, les paroles des gens. Il mm. ne faut pas qu'on pense que nous sommes en train euh, euh, mm. de, stigmatiser les migrants ou de... Non, non, non, non, non. Mm-hmm. Il y a une situation qui est là, n'est-ce pas, où le Niger est en train d'accueillir pratiquement des, ressortissants des pays et ça crée une situation d'insécurité dans notre pays. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on dit. on n'a pas dit que tous les migrants sont des bandits, mm-hmm. mais parmi eux, n'est-ce pas, il y a des gens, qui... parmi eux là, il y a des gens, certainement, mais qui sont extrêmement euh, euh, dangereux. Vous comprenez Et Il y a des cas, même à Niamey, on l'a dit, il y a des cas où on signale des, tentatives de, tentatives de viol sur des. il y a des cas qui ont été signalés sur Niamey. Les, autorités doivent être vraiment plus rigoureux du moment où le Niger est considéré comme un pays transit vraiment de ces Maintenant, c'est qu'il faut. À, mhm. défaut, à défaut, si, par exemple, les pays euh, dont les responsables sont concernés mhm. n'agissent pas rapidement, trouver un moyen pour que l'ONU puissent aider le Niger intervenir à rapatrier ces gens mm-hmm. Mm-hmm. Peut-être. Mm-hmm. Trouver un moyen. Voilà, l'ONU peut, s'impliquer pour permettre à ce que... Parce que la situation peut encore devenir Vous voyez, maintenant, en Tunisie, depuis les propos, les propos malheureux du président, président ce sont des milliers de ressortissants qui sont en train d'être, de quitter le pays, parfois par la voie de la mer. Et ça peut arriver, ça peut arriver aussi eh, eh, eh, chez nous. On ne sait jamais. On peut les déverser aussi ici. Donc, c'est une situation dangereuse pour moi. Les Nations Unies doivent aider le Niger à mieux gérer cela. Si les pays ne réagissent pas rapidement, avec l'aide de l'ONU, mhm. n'est-ce pas, qu'on puisse vraiment mettre en place des charters pour pouvoir amener ces gens-là dans leur pays. Mhm. Vivement donc euh, des pistes de solutions face à cette euh, situation. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Dernier sujet du forum de la presse de ce vendredi 28 avril 2023. Une longue vie pour tous, c'est le thème retenu pour la célébration de la Semaine mondiale de la vaccination débutée le 24 avril. La commémoration de cette semaine a pour objectif de rappeler le rôle primordial que jouent les vaccins pour protéger les enfants des maladies. Ainsi, selon les estimations de l'OMS et de l'UNICEF publiées en juillet 2022, le Niger se trouve à une cour couverture vaccinale d'environ 80%. Mais Mouna Diado, quelle est votre appréciation Oui, mais c'est bien si le Niger se trouve à une... Euh, à 80% de, en tout cas, la couche vaccinale. Mm. Je me dis que c'est très, c'est, une très bonne chose. Mais beaucoup reste à faire. Hein. mais beaucoup reste à faire parce que jusque là, c'est que nous sommes, nous avons des populations qui refusent pratiquement ces, ces, vaccinations. Mm. Euh, on a beau faire des, des, des sensibilisations, l'OMS a sensibilisé, l'UNICEF a sensibilisé, le ministère de la Santé a sensibilisé. Mais là, jusque-là, je, je, vous assure, hein, même euh, euh, la première vaccination, quand l'enfant vient au monde, la première vaccination qu'on fait à l'enfant. Mhm, les vaccinations de euh, routine. De routine, là, c'est pas tous les enfants qui sont vaccinés. Hein. Mhm. il, il, faut d'abord, il y a des enfants, moi j'ai vu un enfant de 7-8 ans. Hein, il a fallu qu'il tombe malade pour qu'on puisse savoir déjà qu'il n'a jamais été vacciné de sa naissance à aujourd'hui. Les BCG alors que, et autres. Les BCG alors que c'est important. Mhm il faut le, mieux, c'est de, de, continuer à sensibiliser ces populations-là. Mhm, mhm. Continuer à leur dire le bienfait, les bienfaits de, de, ces vaccinations-là. Mhm. Parce que d'aucuns euh, mélangent les choses. Ce qu'on entend, ce que les gens se racontent, euh, il faut pas faire vacciner ton enfant parce que si tu vaccines ton enfant, euh, il devient infertile, devient... Oui, oui, en fait, c'est je ne sais pas comment euh, ces populations arrivent à créer, en tout cas, la psychose mhm. au niveau de certaines personnes. <laughs> Donc, c'est cette psychose qu'il faut essayer de dépasser. Mhm. Il faut essayer de, voir comment est-ce qu'il faut euh, casser, en tout cas, ce mythe-là, mhm. pour pouvoir aller et atteindre peut-être les, 90%, mhm. pourquoi pas 100% de vaccination, Pour mhm, que mhm. pour qu'aujourd'hui, ou bien quel est le mécanisme aujourd'hui qu'il faut également essayer de faire, essayer de mettre en place pour que tous les enfants du Niger puissent être vaccinés. Les vaccinations de routine, routine autant pour moi, existent au, Niger et concernant certaines maladies telles que la polio ou autre... Euh, un temps, on disait que la polio même a été éradiquée de par la vaccination garée. Vous pensez-vous qu'il y a eu un progrès vraiment ici au Niger depuis que le, pays a commencé à entamer ces vaccinations-là Oui, c'est sûr que quand on parle de 80%, ça veut dire qu'il y a eu une amélioration. Mm. Mais il y a aussi toujours des, des, des, il y a des têtes, il y a des têtes brûlées qui, <laughs> qui refusent d'être vaccinées. Et vous savez, il y a quelque part une sorte d'hypocrisie dans cette affaire-là parce que euh, Mais euh, selon vous, qu'est-ce qu'explique ce refus même de en fait, qu'est-ce qui explique ce refus Il y a quelquefois certains marabouts qui, qui vont dans des villages et qui vont... On nous dit, non, oh oui, euh, on vous vaccine parce que le blanc le blanc veut empêcher à ce que. Voilà. Vous voyez, c'est ça que j'ai dit. <laughs> Donc, euh, excusez-moi de C'est ça qu'on raconte. On dit, ah oui, le blanc amène le vaccin là, c'est pour, vous mettre. pour que vos enfants, ne, quand ils vont grandir, ils ne puissent pas procréer mm-hmm. ou qu'ils puissent faire moins d'enfants. C'est ça que le. Fait quoi. Et au village, comme on est dans une population, on a une population extrêmement illettrée, mm-hmm. elle a tendance à, gober. Ce, parce que le marabout au village, c'est. Excusez-moi, mais. Mm-hmm. <laughs> après le, après le maire, c'est. Ah, la, parole du marabout, parfois, elle, veut plus que la parole du maire. Hein. Et donc, vous voyez, donc on est dans ce système-là. Et là où je parle d'hypocrisie, c'est que, vous savez, les gens refusent une certaine vaccination, mais dès qu'on vous dit que la méningite est venue là, dès qu'on vous dit que l'épidémie de méningite est venue là, les gens courent, c'est eux qui courent. Ils courent pour, pour, se faire vacciner leurs enfants tous. vous et pourquoi là, pour, pour la méningite, on ne dit pas que non, non. Mm. Vous croyez que si. Si aussi la votre dernière pandémie même de la COVID-19, ça a créé la ah, psychose. Mais oui, ça a créé la, la, psychose. Mm-hmm. la, la, COVID, au on peut comprendre parce que, bon, peut-être si vous ne voyagez pas, moi, je ne vois pas pourquoi. la vaccination n'a pas marché. Mm. <laughs> Voilà. Parce que même parmi les intellectuels, pour la Covid, <laughs> excusez-moi, mais <laughs> nous sommes un peu réticents. Voilà. voilà. Nous sommes un peu réticents parce que moi, à l'âge, je ne me, suis jamais fait vacciner. Mm. Pourquoi Parce que je trouve que la rapidité avec laquelle on a trouvé un vaccin, pour moi, c'est très suspect et je trouve ça extrêmement dangereux. Ce n'est pas sûr. La preuve, c'est que même pour la vaccination du Covid, on dit non, première dose, deuxième dose, troisième dose. ce que vous entendez ça Nous, ce qu'on a connu quand on était enfant, on fait une vaccination du BCG une fois, c'est fini. Mais non, non, pour le Covid, on dit qu'il faut faire trois fois. Donc, vous voyez, nous, ça nous a fait peur. Euh, voilà. Heureusement, on ne voyage pas dans des pays où on exige la vaccination et on ne s'est pas fait vacciner. Mhm. Dieu a fait que le Covid est presque fini. Mhm. Et tout récemment, il y a un vaccin contre le paludisme. Le vaccin contre le paludisme, pour le moment, il on dit qu'il est prometteur. Il y a des tests qui sont faits, n'est-ce pas Mais ce vaccin-là, quand il va être, en tout cas, parce que entre la production du vaccin, les tests, je crois qu'il y a encore 5 ans ou 10 ans. Mais le jour où le, ce vaccin-là sera, je suis sûr que euh, euh, quand on va l'amener, on va être confronté au même problème de réticence des populations. J'ai comme l'impression que les populations n'ont peur que de la méningite. Dès qu'on vous dit qu'il y a une épidémie de là, allez-y dans les centres de santé, dans les écoles. Là. Mais les gens se bousculent pour pouvoir avoir la dose. Les gens achètent même la dose. Les mêmes gens qui refusent qu'on fasse la le vaccin contre la polio pour leurs enfants, là, les mêmes gens se bousculent, je vous dis, avec leurs enfants. Parce que c'est une oui, parce qui, qui bah, tue beaucoup voilà, plus, oui. voilà le problème. <laughs> Monsieur Ousseini Issa, euh, comme l'ont relevé Memouna et Garé, certaines populations dans certaines localités sont réticentes face à ces vaccinations, alors que le vaccin, comme on le dit, euh, permet vraiment de faire face euh, à, certaines maladies. Que pensez-vous vraiment Quelle appréciation, quelle perception vous Non, il faut nuancer. Mhm. Il faut nuancer quand même, il y a la sensibilisation aujourd'hui de plus en plus. On n'est plus euh, au début des années 60. Voilà. N'est-ce pas Aujourd'hui, il y a des radios communautaires qui sont implantées mhm. un peu partout. Il y a des sensibilisations qui sont faites à l'endroit. Mhm. Le problème qui se pose fondamentalement, c'est l'accès. L'accès aux soins de santé. Alors, quand il n'y a pas de soins de santé, il y a combien de personnes qui naissent dans la brousse là-bas Peut-être qu'il n'y a même pas de matrone. La personne naît, on a l'habitude de faire accoucher, et puis bon, on fait les soins traditionnels, et puis l'enfant grandit comme ça. Ah, il n'est plus résistant pour le eh, eh, Ah non, mais je suis en train de dire. Mm. Alors, quand il n'y a pas, parce que c'est aussi l'accessibilité, mm-hmm. quand il n'y a pas suffisamment d'infrastructures de, d'accueil où les gens peuvent aller, bien évidemment. Ou quand vous voulez faire la vaccination, il vous faut parcourir par exemple 10 à 15 km pour trouver un centre de santé. Sensibiliser même la population. Attention, il y a des équipes mobiles hein, qui vont dans les et qui font aussi face à des font, refus. Oui, c'est de ça qu'ils prennent en fait. Non, quand je veux dire, parce qu'il faut avoir aussi au niveau des centres de santé hmm. qu'on puisse Dispenser parce que normalement c'est dans les centres de santé. Maintenant, de temps en temps, lorsqu'il y a des campagnes, c'est lorsqu'il il y a des équipes, mobiles qui se déplacent. Quand il n'y a pas, quand c'est dans des périodes de campagne, et le plus souvent les campagnes sont mhm. financées souvent par l'extérieur, mhm. par des partenaires extérieurs, parce que mhm. ça nécessite beaucoup d'argent, le de déplacement, le carburant et tout et tout, les frais qu'on donne aux agents qui vont aller d'un village à l'autre, tout ça. Quand c'est en période normale, il faut aller dans les formations sanitaires pour pouvoir bénéficier. Il y a beaucoup de femmes mhm. qui n'ont pas accès, par exemple, à la protection maternelle et infantile. Mhm, mhm, Ici, on voit a même quand la femme, on dit, Pémi, tu vas aller, il y a des périodes où tu vas aller pour consulter, faire consulter l'enfant. pour qu'on lui fasse des injections et tout et tout. Mais dans le cas vous êtes dans une zone où il n'y a rien, c'est difficile. vous, vous, mangez même, c'est difficile. Vous allez faire comment moi, je dis, c'est déjà quelque chose qu'on ait atteint 80% de couverture, de taux de couverture vaccinale. Mais sinon, de manière générale, bon, il y a des réticences par rapport à, certaines, mhm. à certains vaccins. Quand on fait la campagne autour de certains vaccins, comme vient de dire Gary Covid, on dit faut <laughs> aller parce que la polio. <laughs> oui. Mais on sent, mais surtout quand on sent que ce n'est pas, ce pas les autorités en place mm. qui sont derrière, mm. que c'est des partenaires mm-hmm. étrangers, mm-hmm. mais ça mm-hmm. crée une espèce de réticence, que c'est les blancs qui sont derrière, ça crée une espèce de réticence. Pourquoi depuis quand ils vont commencer à s'intéresser à notre santé Il faut donc intensifier sur la sensibilisation, mais sur, la sensibilisation, oui. Surtout sur la sensibilisation, mais, surtout je crois qu'à défaut, comme l'a dit Ousseini, de, de, à, à défaut d'avoir suffisamment de centres de santé dans les localités reculées, vraiment accentuer les, les, campagnes de vaccination mobile. Mhm, mhm, voilà, et là, ça, mhm, nécessite un financement. Euh, et aussi penser vraiment à certaines maladies, parce que la population pense qu'il y a certaines maladies qui nécessitent vraiment qu'on ait des campagnes de vaccination, telles que, je euh, je sais pas, voilà, effectivement, effectivement. Là, ils donnent même de l'argent, par exemple, par ah rapport à ça pour pouvoir empêcher aux gens qui sont déjà infectés d'aller dans les marigots. Mm-hmm. Mm-hmm. Quand vous dénoncez, on vous donne de l'argent. Hein. Ah, bon, ça dépend du la, Le verre de Guinée. Euh, ben, alors ça, c'est des cas concrets où les gens sont conscients de la dangerosité, n'est-ce mm-hmm. pas Et si on a fait vacciner, on a vu l'intense campagne autour de Covid. Et ça a créé, bien évidemment, une espèce de répulsion. Parce que pour les gens, mais c'est quoi C'est le rhume et on va dire, il faut forcément. Il n'y a encore pas un vaccin, il faut plusieurs, doses. en même temps, il y a plusieurs doses de rappel. Il y a plusieurs types. <laughs> <laughs> plusieurs de <laughs> vaccins. Mais réellement, avant tout, mais vraiment, il faut l'implication aussi de la population. Non, la population. la population, oui. Il faut bien sûr l'implication de la population mm-hmm. parce que <laughs> on ne peut pas faire des vaccinations si la population n'est pas consentante. Mm-hmm. Donc il faut que la population aussi arrive à comprendre que c'est dans le c'est ce qu'on dit. Il faut vraiment intensifier cette sensibilisation. Oui, il faut intensifier, expliquer l'importance en tout cas de, la, de, la vaccination. Mm-hmm à ces populations-là mhm. et, casser le mythe. Mhm. Mhm. Ce que les gens se racontent, ce que les marabouts, par exemple, racontent <laughs> sur les doses, là, sur les vaccinations, là, il faut essayer de casser tout ça et faire une sensibilisation qui va dans le sens de l'intérêt pour que ces populations sachent que la vaccination, elle est très importante mhm, mhm, mhm. et que et qu'il faut montrer, même s'il y a des cas, il faut montrer des cas, par exemple, un enfant qui n'a jamais reçu ses doses de vaccination, ce qu'il est devenu, et un enfant qui a en tout cas suivi à la normale ses doses de vaccination, comment il est. Donc, il faut essayer avec des, quelques techniques quelques euh, mhm. arrangés. Oui, même mhm. vraiment montrer que, vraiment, on ne fait pas une vaccination pour mhm. pouvoir euh, nuire à une population. On peut pas quand même, nos dirigeants ne peuvent pas quand même envoyer des vaccins qui vont nuire à toute une population. L'État Oui, L'État inquiété. Vous savez, moi, il y a une anecdote. nous, quand on voyageait avant, vous savez parce, comment est-ce qu'on reconnaissait les Nigériens mhm. C'est la tâche, la tâche de la vaccination. Le, là. le BCG. Oui, oui. moi, on était au Nigeria. Dès que le, militaire a ouvert, il dit ah, ça, c'est Niger. Mhm. Parce que le Niger était vraiment un pays pionnier dans ce domaine-là. Mhm. On reconnaissait le Nigeria avec ça. Donc, je pense que la vaccination, c'est très important. Mais, regardez, Nafisa, avant, c'est dans les écoles qu'on nous trouvait. On trouvait les enfants dans les, dans les écoles, on leur faisait la vaccination et euh, tout le monde était content. C'est un rang que tout le monde voulait <laughs> que. Oui, oui, oui. Parce que ça amusait même, ça amusait maintenant, avec, la psychose, mais, maintenant avec la psychose, c'est devenu vraiment. parce que même à l'école, il y a des parents qui viennent chercher. Oui, oui, il y a des parents quand ils sont au courant que demain, les, les, les vaccinateurs vont dans l'école. les enfants ne partent pas. Mhm. Ne partez pas, à l'école. Ouais, Reste ici. Même, à Niamey, hein. Oui, oui, même les. Malheureusement, c'est dans le centre urbain. Ah, il, y a, il faut d'abord, même pas la vaccination, il y a des comprimés qu'on donne à ces enfants-là. Pour, contre les verres, là. Contre les, là. il y a mhm. des parents qui disent à leurs enfants hein, ne, prenez pas, ne prenez pas ces comprimés-là. Jetez ces comprimés-là, comme si vous prenez et puis vous mhm. jetez après. Donc, il faut vraiment une forte sensibilisation, Il faut que le ministère de la Santé, euh, le, ministère de la Santé, c'est ça mhm. Il faut que le ministère de la Santé, avec ses partenaires-là, mhm. renforce leur capacité au niveau de la sensibilisation. C'est très important. Et il faut vraiment une prise de conscience aussi de la population sur l'importance de la vaccination. C'est la sensibilisation qui va amener un petit changement, un changement, un grand changement la autour de ça. La sensibilisation arrive à mettre fin aux théories du complot parce que mm. ce sont les théories du complot qui sont à la base de toutes les réticences. <laughs> C'est ici donc euh, que se referme euh, le forum de la presse de ce vendredi 28 avril 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, et les journalistes indépendante Gare Amadou. Journaliste au quotidien La Nation et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous. N'oubliez pas, le programme Jeune, c'est samedi et dimanche dès 17h avec euh, l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes, euh, les samedis et dimanches, euh, les forums en Hausa et Zarma. La technique est assurée par Issa Lawali, la régie vidéo Mustapha Ayuba. Je suis le fils Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.